le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Kwaratagi FM 90.9 MHz et Challenge FM 4 96.6 MHz, notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangu s'intéresse à l'agent de santé et la vocation qu'à des agents en soins infirmiers et des sages-femmes. Pour euh, développer ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Madame Traoré Salamatou, infirmière sage-femme, membre de l'Association des sages-femmes du Niger, présidente de l'ONG DIMOL. Madame Traoré Salamatou, bonsoir. Bonsoir. Mohamedou Abou, licencié des sciences de la santé, membre du syndicat unique de santé et de l'action sociale Suisas. Mohamedou Abou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En ligne, nous avons Hajia Ramatou Mohamedou, agent de santé communautaire à Baudeta, dans le département de Tessawa, région de Maradi. Hajia Ramatou participe en ligne. Hajia Ramatou Mohamedou, bonsoir. Oui, bonsoir. Le droit à la santé étant consacré dans notre constitution, les différents plans de développement sanitaire PDS traduisent la volonté de rendre effectif euh, ce droit à travers les interventions planifiées dans les huit axes stratégiques, à savoir l'extension de la couverture sanitaire, le développement des services de la santé et de la reproduction, la dotation des infrastructures sanitaires en ressources humaines compétentes et motivées selon les besoins, la disponibilité disponibilité permanente en médicaments, vaccins consommables, intrants alimentaires et thérapeutiques, réactifs, sans et dérivés, l'intensification de la lutte contre les maladies faisant l'objet de surveillance intégrée, le renforcement de la gouvernance et du leadership à tous les niveaux du système de santé, le développement de mécanismes de financement du secteur de la santé et la promotion de la recherche en santé. Aja Ramatou Mahamadou, la situation des agents de santé communautaire se résume au paiement de leurs pécules et arriérés ainsi que leur intégration à la fonction publique. Aujourd'hui, dans quelles conditions travaillent les agents de santé communautaire en général et vous en particulier à Baudita On est sur le terrain, on a cessé la grève depuis parce que le ministre il a bien parlé à la radio et à la télé. Il nous a promis une ligne budgétaire. Vraiment, on est content de ça, mais on attend toujours, on a eu un seul mois de pécule, le mois de mars, et ils nous ont promis deux mois consécutifs, mais jusqu'à présent, on attend, on est aujourd'hui le 31, on les attend. Jusqu'à présent, le pécule n'est pas fait, on est au 16e jour du carême, vraiment, c'est pas facile. Vraiment, on n'est pas content de ça avec surtout le pic qui vient de commencer. Il y a des femmes enceintes qui sont anémiques, surtout les enfants. On reçoit des décès maternels, Bon, vraiment, ça nous touche, mais dans tous les cas, nous, on s'est patiente, on attend toujours à ce qu'ils nous payent, on continue le travail, pas de grève maintenant. Et vraiment, on souhaite encore sur le terrain à ce qu'on amène des agents, parce que ici, on est au nombre de quatre, une sage-femme et trois infirmiers. Vraiment, on souhaite à ce que les gens viennent dans la Nous, maintenant, moi, je me rappelle plus du week-end, samedi et dimanche, là, moi, je ne pense même plus qu'il y a le, le week-end parce que chaque jour, on travaille. Pas de nuit, pas de journée. Vraiment, on est insuffisant. On souhaite assez que le gouvernement recrute des gens pour les animer dans la Hajar Ramatou Mahamadou, les agents de santé communautaire sont en grande partie responsables des centres de santé intégrés, les CSI. Comment expliquer le cumul des arriérés chez les agents de santé communautaire Vraiment, même si au CSI, tous les quatre, on est des agents contractuels quand on fait la grève là, vraiment, c'est par pitié qu'on prenne les gens parce qu'il ne faut pas être trop méchant. Parce que c'est nos parents, c'est nos soeurs, on est obligé de prendre des urgences, des femmes des femmes qui viennent pour accoucher, les accidentés. Vraiment, on est obligé de les prendre. Parce que ici à Bogota, de jusqu'à Hawandawaki, je pense qu'il y a cinq agents qui sont intégrés. Tous les restes, on est des contracteurs. Vraiment, l'État, il faut qu'il fasse ça en acte. Vraiment qu'il nous considère et qu'il nous paye nos arriérés et les vient comme avant. C'est ça notre grand vie avec des familles, des enfants. Vraiment, on souffre. Maintenant, on est à la charge de nos parents. Parce que même si ton mari est santé, toi tu es santé, vraiment, notre vie n'est pas bonne. Parce qu'il faut que tu parles ses parents pour qu'ils t'aident et le mari aussi c'est comme ça. Vraiment c'est pas facile. Vraiment on vit difficilement. L'État ils n'ont qu'à penser à nous parce qu'on est la bas Tout de la brousse. Mais il faut l'État nous considère. Vraiment c'est notre grand souvenir. Neuf mois sans pécule. Dans les neuf mois on nous a donné un seul mois vraiment, il faut revoir les choses. Avec la ligne que nous ont promis, qui a créé la ligne, vraiment, on souhaite le ministre à ce qu'il nous Et vraiment, j'incite même le ministre à ce que nous revisiterons la route pour qu'il voit de la façon dont on vit. Vraiment, on vit difficilement, nous et nos enfants. C'est pas facile. Comment vous arrivez à vivre dans un contexte où tout coûte cher Vraiment, le reste là, on règle ça avec la famille, les boutiquiers, ils nous ont crédité, même, ils même fatigués. Moi, je honte même deux fois de passer devant les boutiques pour prendre du crédit. Le ravitaillement, la comprend. Vraiment, je honte même de passer. C'est avec la famille qu'on euh, gagne quelque chose pour payer ce que tu prends par mois. Maintenant, moi, chaque fin du mois, il faut que je parte prendre du crédit quand les parents me voient un peu du tout, c'est avec ça que je m'en suis sorti. Vraiment, j'ai une dette plus de 100 000 francs. Mohamed Ouabou, comment êtes-vous arrivé dans le secteur de la santé Pour mon petit cursus, je suis arrivé dans le secteur de la santé par béguin pour euh, la profession, par amour, par désir de soigner, par désir d'aider mon prochain. Depuis mon jeune âge, j'avais une grande admiration et une grande appréciation pour les agents de santé. Quand je partais dans les formations sanitaires, je les voyais, comment ils soignent, comment elle accueille les gens. Ça m'a beaucoup impressionné. Et depuis l'école primaire, j'avais la prétention vraiment d'être agent de santé. Et à chaque fois dans la classe, quand les maîtresses nous posaient des questions, que voulez-vous être deux fois plus grand J'ai toujours répondu, je voudrais être euh, ou infirmier ou médecin. Et il y avait des amis qui répondaient, je voudrais être militaire, je voudrais être euh, maître ou maîtresse. Mais moi, j'avais choisi la santé de mon bas âge. Donc, euh, Dieu a fait bien les choses. J'ai été orienté après mon BEPC à l'École nationale de la santé publique de Niamey, où, après trois ans d'études, sanctionné par un diplôme d'état d'infirmier, je suis sorti infirmier diplômé d'état et j'ai été affecté en 97 au centre hospitalier régional de Difa. À l'époque, c'était euh, centre hospitalier départemental. Donc, j'ai été affecté en juin 1997. Donc, arrivé là-bas, et nous avions signé déjà un engagement ferme de servir dans ces zones reculées pendant au moins cinq ans. Et nous, ça nous plaisait. Moi, ça me plaisait d'aller découvrir Difa. J'entendais parler de Difa depuis mon passage. Et ça me plaisait. Et Dieu a fait belle les choses. Je suis affecté à Difa on est parti avec un lot de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes et nous avions atterri à l'hôpital de Difa. On nous a accueillis très bien, les nouveaux agents de santé. Et nous avions été installés dans nos services. Et je me rappelle euh, le surveillant général de l'époque qui nous avait reçus et nous a posé la question nous avons besoin d'un volontaire pour le bloc opératoire. Et même dans le secteur de la santé, j'avais un penchant pour les activités de chirurgie opératoire. Donc, automatiquement, j'ai levé ma main. Donc j'avais besoin d'un infirmier au bloc, j'ai levé ma main et c'est comme ça que j'ai fait carrière jusqu'à aujourd'hui dans le domaine de la chirurgie. Et j'ai séjourné à DIFA pendant six ans. J'ai été formé par des chirurgiens volontaires des Nations Unies, des chirurgiens nationaux qui m'ont formé, jusqu'à ce que je suis revenu à l'université Abdoumoun de Niamey, où j'ai obtenu ma licence en chirurgie, sciences de la santé, en chirurgie générale et gynéco Et présentement, je sers à la maternité Issa Gazobi de Niamey, au niveau du service euh, du bloc opératoire. Donc, c'est pour dire que mon entrée à la santé, vraiment, c'était par amour et je remercie Dieu de m'avoir fait réaliser ce rêve-là que j'avais depuis mon enfance. C'est pas donné à n'importe qui de réaliser son rêve je remercie Dieu en tout cas de m'avoir réalisé ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la santé. Mahamadou Abou, quelles sont les difficultés que vous avez eu à surmonter Effectivement, étant jeune fonctionnaire, lorsque nous avions pris fonction à l'époque, c'était il y a eu deux difficultés. La première difficulté, c'était liée aux conditions de travail sur le terrain. DIFA étant extrêmement éloigné, il n'y avait pas à l'époque les moyens de communication actuels que nous connaissons il n'y avait pas aussi toutes ces infrastructures ne sont pas très bien développées à l'époque et il y avait des difficultés par rapport au fonctionnement, surtout le matériel surtout quand euh, il s'agit d'un jeune euh, fonctionnaire, un jeune euh, infirmier qui sort de l'école avec tout ce qu'il a comme bagage théorique, tout ce qu'il a pris dans les normes à l'école et qu'il se rend sur le terrain, il se voit que, il se rend compte que ces normes-là qui sont enseignées à l'école sur le terrain, ce n'est pas ça. Eh bien, c'est des difficultés de fonctionnement, le matériel n'y est pas, le médicament n'y est pas aussi. Et aussi, il y avait l'insuffisance du personnel puisque tout le monde ne voulait pas aller à DIFA. Nous étions surchargés par le travail. Nous étions très surchargés, les gens ne voulaient pas aller à DIFA et c'est comme ça que nous bien tenu pendant six ans. Donc, il y a la difficulté d'ordre matériel et il y a des difficultés d'ordre aussi géographique qui nous ont eh, essayé pendant notre séjour là-bas. Mahamadou Abou, aujourd'hui, quel regard euh, sur euh, les nouveaux agents de santé et sur la qualité même de la formation Effectivement, et de mon entrée à la santé à ce jour, si on jette un regard rétrospectif, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de métamorphoses, beaucoup d'évolutions. La première évolution, d'abord, il y a eu un développement des infrastructures. Là, il faut le reconnaître, l'État a fait beaucoup d'efforts. Les infrastructures se sont développées. Il y a eu de construction de beaucoup d'infrastructures, tant qu'à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Et il y a aussi la formation professionnelle des agents de santé qui s'est développée. Il y a eu la création de beaucoup d'écoles de santé. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 22 écoles de santé privées, dont plus de la moitié sont à Niamey, ou même presque à Niamey. Et il y a eu ces derniers temps un regain d'intérêt pour la profession de la santé. Il y a eu une entrée en masse des agents de santé et surtout la profession s'est beaucoup féminisée. Et le développement aussi de l'enseignement supérieur dans le domaine de la santé s'est développé avec euh, de nouvelles filières qui sont créées. Donc tout cela, en tout cas, a contribué à améliorer de façon significative la santé de la population. Madame Traoré Salamatou, pourquoi vous, vous avez choisi de faire carrière dans le domaine de la santé ça a été euh, un engagement personnel d'enfant parce que j'ai vu euh, une petite fille malade dont je ne savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai amené à manger à ma soeur qui était sage-femme, qui était de garde. Alors quand j'ai vu cette petite qui était très malade, qui marchait difficilement, qui avait une canne, avait aidé par sa mère, qui pleurait. Et surtout, quand elle est arrivée devant moi, il y avait de l'eau qui suivait. Alors j'ai demandé à ma soeur, c'est quoi ça Elle m'a dit, c'est la fistule. Alors, c'est ça qui m'a amené à la santé. C'est quoi la fistule La fistule obstétricale, c'est une communication lors d'un accouchement difficile entre la vessie et le rectum ou entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Alors, une prédominance, c'est que mon papa était infirmier, infirmier militaire. Ma grande sœur, sage-femme, et un frère infirmier, du coup, c'était parti pour <laughs> la, la santé pour la famille. Mais j'avais été orientée à l'éducation. Mais je vous assure, j'ai fui. En 63, il y avait euh, le, le, problème, un conflit entre le Bénin et le Niger et tout le personnel de santé du Bénin qui était au Niger était parti et il y avait aussi l'éducation, tous ils étaient partis. Il y avait beaucoup de postes vacants. J'avais un beau frère enseignant, il a opté pour moi pour aller à l'éducation. J'ai suivi la formation pendant quelques semaines et j'ai fui. Il est venu me trouver à la maison. Il dit pourquoi tu n'es pas allé au cours aujourd'hui J'ai dit vraiment, j'ai vu que l'enseignement là c'est difficile. Hein? Je ne peux pas. Il y a trop de responsabilités. <laughs> c'est comme ça que j'ai fui. Et voilà, euh, vraiment, j'ai opté pour la santé parce que je me trouvais mieux à savoir et à comprendre cette petite fille ce qu'elle avait. Et aujourd'hui encore, cette petite fille, elle est là. Je la vois presque chaque semaine ou tous les jours en train de pleurer. N'est toujours pas arrivée. Sa santé n'est pas jusque euh, Cette petite fille, sa santé n'est pas rétablie parce qu'on n'est pas arrivé à éradiquer la fistule. On continue dans ce domaine. Madame Traoré Salamotou, quels sont les obstacles que vous avez eu à surmonter C'est l'incompréhension de mon entourage dans le domaine de la santé. La rigueur, un de mes euh, défauts peut-être. La salubrité, encore un de mes <laughs> défauts. Et je veux voir toujours le travail bien fait. Je je suis jamais comprise et je ne suis jamais accompagnée. Ce qui fait que à chaque fois que j'atteins un objectif, je quitte, je vais à un autre endroit. J'ai fais plusieurs services de santé je suis reconnu pour la rigueur, pour le respect de la déontologie. On ne peut pas opter pour la santé. On ne peut pas accepter prendre en compte la vie de la mère et de l'enfant et négliger même la virgule. Quand on est sans de garde, je rentre chez moi et que je me rappelle que j'ai oublié de faire un bon protocole ou écrire quelque chose de bien, je retourne pour corriger et je reviens. Et c'est la même chose que j'exige de tout le monde, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a certains qui sont de garde qui abandonnent le poste pour euh, aller déambuler dans la rue. Ce n'était plus le cas avant. À notre temps, vous n'avez même pas le droit. Et la déontologie ne vous permet pas de sortir en dehors des heures de service à plus forte raison en blouse. On voit aujourd'hui des agents de santé habillés en blouse chez le vendeur de, de, viande ou le vendeur de, de thé ou bien devant la porte en train d'acheter des fruits. C'est interdit. Moi, j'ai fait trois ans à l'hôpital national en tant qu'infirmière. Quand j'ai quitté, personne ne connaissait Madame Traoré. Quand vous quittez votre pavillon pour un autre pavillon, Surtout, nous, on était dans un pavillon de contagieux. Vous n'amenez pas la blouse de risque de contaminer les autres malades. Vous allez, vous ôtez tout, vous allez voir vos malades, vous revenez, vous vous habillez. La blouse, elle est strictement réservée aux actions sur le terrain, spontanées sur le patient. Si vous finissez et que vous devrez sortir, vous laissez la blouse. Même chez vous, vous n'avez pas le droit d'amener la blouse. Madame Traoré Salamotou, pourquoi le métier de sage-femme n'est pas suffisamment connu du grand public C'est un métier qui est bien connu et c'est un métier de tout le temps. <laughs> L'accueil d'un bébé, c'est même si l'appellation change, c'est un métier universel. Peut-être il est mal compris, je dirais. Il est mal compris du fait que les agents ont changé, les formateurs ont changé, Peut-être aussi que euh, le choix des agents pour cette profession, leur esprit, ils ont un autre esprit ou ils ont une autre compréhension de la profession. Ce n'est pas la belle blouse qu'on porte, ce n'est ni cette belle dame qui est euh, dans une blouse, un carcan bien tracé pour dire je suis sage-femme, le mot les intéresse. Non, ce n'est plus ça qu'on voit aujourd'hui. L'accueil n'y est pas. Un bon agent, c'est l'accueil qui fait de vous la sage-femme, la sagesse, au même titre que l'infirmier. Et c'est la qualité des soins que vous offrez. C'est la manière même de questionner votre patiente qui vous amène à être une bonne sage-femme. L'autre aspect, c'est quoi C'est le résultat auquel vous voulez parvenir. Avec l'accueil, les soins donnés, avec euh, le, le service rendu, le patient pendant que vous êtes en train d'interroger votre patient, pendant que vous essayez de comprendre sa situation, le patient est en train de vous évaluer aussi. Est-ce que cette personne est capable de résoudre mon problème Est-ce que cette personne, c'est la personne qu'il me faut Ainsi de suite, vous voyez, c'est le patient client malade, ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la grandeur d'une sage-femme. Aujourd'hui, on voit même certains agents de santé qui bousculent les patients, qui les brutalisent. Avant, ce n'était plus le cas. L'accueil est vraiment euh, à un stade déplorable pour certains agents. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui a amené à cela Il y a les formations, il y a les infrastructures, il y a les moyens mis à leur disposition, il y a les conditions eux-mêmes social comme Haji Aramatou vient de le dire, il y a des agents qui viennent au travail, qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas motivés. L'ancien temps et maintenant, ce n'est pas la même chose. Un agent de santé en milieu rural, il développe d'autres initiatives qui lui permettent de subvenir à ses besoins, même en cas où il n'a pas de salaire. Moi, j'ai eu plusieurs fois à raisonner certains agents de santé sur le terrain, dont je trouve la formation sanitaire où il n'y a même pas un plan d'arachide ni de haricots. Le mil ou le, maïs, ça amène des moustiques mais on trouve des agents de santé en train de prendre du thé alors qu'ils peuvent aller au champ quand ils n'ont rien à faire. C'est la production. Ils peuvent produire ce qu'ils vont manger en attendant qu'ils aient leur salaire ou bien les rizières sont là, à côté. Ils ne vont pas. Alors, comment vous pouvez développer votre communauté si vous-même vous ne montrez pas un bon exemple à la population pour apporter un changement dans leur vécu quotidien vous êtes intellectuel, vous avez été à l'école, vous savez lire et écrire, vous savez leur donner les informations sur l'engrais, sur les semences, comment il faut cultiver, et vous-même vous le faites un exemple, et ça vous ramène des revenus. Je le dis parce que j'ai vu, j'ai vécu cette situation avec euh, mon papa, mais aussi personnellement, je l'ai vécu, je l'ai fait. Et ça permet à l'agent de santé d'être bien connu et d'être accompagné dans le service de santé. Quand vous parlez à la population, elle vous accepte parce qu'elle se compare à vous. Madame Traoré Salamotou, quel est le rôle ou la mission principale d'une sage-femme dans le domaine de la santé Sa mission, euh, d'abord, c'est elle a plusieurs casquettes. C'est l'accueil. Il faut qu'elle soit accueillante, souriante, même en cas où ce sont des cas désespérés. Vous savez que vous allez référer la patiente, mais vous, vous gardez votre morale, vous gardez votre euh, dignité, c'est-à-dire vous faites en sorte d'apaiser, de mettre le patient en confiance. Ça, c'est le premier aspect. Et là, le patient, il a aussitôt confiance en vous. Le deuxième aspect, c'est à travers votre approche, la manière dont vous questionnez, la manière dont vous touchez la patiente, la manière dont vous faites votre consultation, l'examen. Les deux mains ne sont pas données à n'importe qui. Il faut avoir la tactique souple, vraiment calme, qui n'agite pas la patiente, qui ne l'épeure pas. Là, c'est une forte mission. Vous avez euh, la capacité, surtout dans l'accueil, d'avoir un environnement sain. Si l'environnement n'est pas accueillant, la patiente ou le patient qui rentre aussitôt, il vous catalogue. Même si ce n'est pas vous qui venez de partir, vous êtes déjà catalogué en tant que suspect. Est-ce qu'il va pouvoir aider, m'aider et tout ça. L'autre mission, c'est aussi la manière de diagnostiquer, comme je l'ai dit. C'est de dire à la patiente de quoi elle souffre, ce qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir un patient sans un dialogue n'est pas un objet. Vous devrez dialoguer avec le patient. Vous devrez parler. À chaque fois que vous faites vos examens, vous continuez à faire des questions, à poser des questions ou à lui donner des conseils ou à savoir. En tout cas, vous, êtes appelé à ne pas rompre le dialogue entre le, patient parce que c'est un client et vous. L'autre aspect, c'est au niveau des soins. La sage-femme, elle a la capacité de prescrire. Alors que au niveau de l'infirmier, sauf actuellement en brousse, ou l'infirmier prescrit. Mais sinon, elle a le droit de prescrire, de traiter, de faire les soins et de régler tous les problèmes qu'elle peut. Elle est médicale. Alors que l'infirmier est paramédical. Vous voyez la différence entre les deux. Madame Traoré Salamotou, à quelle période une femme enceinte commence ses consultations À partir du moment où elle ne voit plus ses menstrues. Parce que dès cette période, elle peut avoir des grossesses extra-utérines. Elle peut avoir aussi euh, des problèmes de santé si c'est une personne sensible. Elle ne comprendra pas pourquoi elle est malade. C'est en ce moment qu'on fait le diagnostic et on fait ensuite plusieurs consultations. On fait d'abord un bon diagnostic que la grossesse est bien insérée dans l'utérus et ensuite maintenant on fait le suivi elle peut avoir autant de consultations qu'il faut, l'essentiel que cette grossesse soit menée à terme dans de bonnes conditions et en bonne santé. Chaque trimestre, elle doit retourner ou bien tous les deux mois en fonction des besoins pour voir l'évolution de la grossesse, pour voir l'état de santé de la mère donc et du bébé. Ensuite, orienter la femme si nécessaire vers d'autres compétences ou faire des radios, et des échographies ou bien des bilans en tout cas, il faut un suivi euh, régulier. Mohamed Ouabou, vous avez quelque chose à ajouter avant de passer à la deuxième partie L'accueil est extrêmement important pour nous, agents de santé. L'accueil chez nous, c'est la clé de la guérison. L'accueil guérit les malades à 50%. Un bon accueil guérit les malades à 50%. Mais à quoi assistons ces derniers temps c'est ça, comme vous l'avez dit, le mauvais accueil des usagers. Et ce mauvais accueil, je pense que ça commence depuis la formation, depuis l'éducation familiale aussi, comme elle a eu à le dire. Et quelqu'un qui accueille mal, c'est qu'il a reçu une mauvaise éducation familiale. Et je vous avoue, dans nos formations en tant qu'agent de santé, on met beaucoup l'accent sur l'accueil des usagers. On forme convenablement les agents de santé à bien accueillir les malades, puisque psychologiquement, nous savons que l'accueil guérit à 50%. Et les 50%, c'est les médicaments. voyez, quelqu'un déjà, vous a facilité la guérison avec 50% à travers l'accueil. L'accueil, ce n'est pas uniquement les salutations d'usage, vous donnez un siège, vous assurez. Non. L'accueil transcende tout cela. Ça va au-delà de tout ça. Il y a l'accueil par la propriété. Il y a l'accueil aussi. Quand vous venez dans les services de santé, que vous voyez que tout est clean, tout est propre dans votre tête, vous avez quand même le sentiment d'être dans une formation sanitaire très responsable. Mais lorsque vous venez, vous voyez même les agents de santé qui sont en plus débraillés, avec des boutons par-ci, par-là, ou des tenues et qui ne sont pas du tout bien, vous allez encore euh, avoir euh, une euh, pensée très négative par rapport à leur comportement quant à leur compétence à vous soigner. Et les agents de santé qu'on voit dehors avec des blouses, je vous assure, ce n'est pas la formation qui leur est donnée. Comme elle l'a dit, en sortant dehors, nous allons ramener des germes et nous allons infecter les malades. Parce que nous ne savons pas quel germes nous allons ramener. En partant dans un service, d'un service à un autre, on peut ramener aussi des germes d'un service A et les introduire au niveau du service B infecter la population. Il n'y a pas que les malades aussi, la population qui nous entoure. Lorsque nous faisons des sorties inopinées lors de notre travail à domicile avec nos tenues de travail, nous amenons des germes, nous infectons nos familles. Donc c'est un appel que je lance à ces agents de santé qui sortent en tenue de travail, c'est pas respectable. La tenue de travail elle est noble, c'est de la respecter. Elle n'est que à la porte uniquement sur le champ de travail, sur le patient, sur qui nous allons exercer des soins. Malgré la volonté politique maintes fois affichée et les efforts déployés depuis des années, la situation sanitaire reste préoccupante et est marquée par la prédominance des nombreuses maladies transmissibles, endémiques et endémo-épidémiques, telles que le paludisme, choléra, méningite, VIH, sida, tuberculose, etc. et l'émergence des maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle, diabète, cancer, drépanocytose et les maladies mentale. Par ailleurs, l'extrême vulnérabilité des pays entraîne la survenue quasi régulière euh, des situations d'urgence telles que les crises alimentaires, catastrophes naturelles ou provoquées, auxquelles le pays n'est pas toujours euh, préparé. Ces nombreux facteurs de risque contribuent à accroître la charge maladie et dans la population, en particulier chez les plus vulnérables. Cette situation rend difficile l'accélération des progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable liés à la santé. Madame Traoré Salamatou, vous êtes de l'ancienne génération bien indiquée pour nous expliquer pourquoi aujourd'hui on constate le mauvais accueil et la mauvaise qualité des prestations dans beaucoup de formations sanitaires. Nous avons fait un constat très simple. Face à la situation qui prévaut actuellement au niveau des agents de santé, surtout la jeunesse, le premier constat, c'est que certains pensent que la santé, c'est quelque chose de facile. C'est un agent qui va aller faire juste une piqûre et puis il tourne le dos. Certains, c'est cette vision qu'ils ont. Et surtout, face à ce que nous, nous avons suivi des étudiants ou des élèves qui sont en train de se promener, par exemple, dans les services de santé, au lieu de s'atteler aux soins infirmiers. Ou qui sont sur euh, Facebook, WhatsApp. Qui sont avec les téléphones en train de communiquer alors que le malade est là tout seul avec son parent en train de souffrir. Alors que nous, nous voyons cette faiblesse par rapport à la compréhension même de la profession. Peut-être qu'ils vont à la profession sans avoir euh, sans vocation. Sans vocation, sans information sur ce qu'on attend d'eux, sans information sur ce que c'est que la profession. Actuellement, si vous allez à l'hôpital national, vous allez constater la blouse blanche dans toutes les rues. Ils sont là arrêtés, certains assis sur les voitures, certains au niveau des murs, des pavillons, assis, certains qui sont là dans la rue en train de causer est-ce que ça, ça donne une bonne image d'un agent de santé qui n'apprend pas l'accueil, il n'apprend pas ce que c'est que les soins, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher dans le service. Alors, nous, les formations que nous avons données, c'est d'abord un stagiaire qui vient dans un service, c'est d'abord l'environnement qui règle. Il faut faire la régulation de son milieu, le milieu du patient, aussi bien dans les salles de soins que les lits des patients vous devrez amener les patients à respecter l'infrastructure, à faire la propriété, à faire l'hygiène du malade, à faire l'hygiène du lit du malade. Si c'est un patient qui peut bouger, il y a les soins appropriés. Si c'est un patient qui ne peut pas bouger, il y a euh, des soins appropriés qu'il faut donner. Si c'est un patient hémiplégique ou il y a des soins appropriés qui doivent apprendre et non être dans les, rues de l'hôpital ou bien être devant le petit commerce de l'hôpital en train de manger ou devant la maternité Isaac Gazobi chez le vendeur de cigarettes même. Alors vous voyez Et les formateurs ont une forte responsabilité. C'est de mettre à leur disposition le matériel nécessaire. Il y a des écoles professionnelles qui n'ont même pas d'armoire dans les services. Or, avec quoi ils vont faire les soins Il y a cet aspect. Et nous disons aussi que euh, les responsables de ces pavillons sont en partie aussi concernés. Un responsable qui voit cette léthargie, il évacue les lieux. Moi, j'ai l'habitude d'évacuer les gens de mon pavillon. À la maternité, en ce temps, c'était la maternité centrale. Un élève qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas la déontologie, n'a pas sa raison d'être dans le service. Madame Traoré Salamatou, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des sages-femmes édition 2017, dans son allocution, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a souligné que le nombre réduit de sages-femmes est criard au Niger, comme en témoignent les 60,3% qui accouchent sans assistance d'un personnel qualifié. Qu'est-ce qui explique cette insuffisance de sages-femmes dans les différentes formations sanitaires C'est la politique. Oui, c'est la politique du pays. Quand vous avez une femme sage-femme, ou bien quand une sage-femme finit sa formation et qu'elle doit aller en brousse, et qu'elle sait qu'elle ne veut pas aller en brousse, elle se marie à quelqu'un du ministère de la Santé. Alors là, elle n'ira pas. Elle n'ira pas en brousse. Ou bien, la politique du pays ne règle pas ce problème. On l'a crié plusieurs, ça fait plusieurs euh, décennies qu'on n'en parle. C'est pas aujourd'hui. Hein. Donc c'est lié à une mauvaise gestion des ressources humaines. Voilà. Alors, si toutefois le ministère de la Santé, d'ailleurs, il a, commencé, je félicite cette démarche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gynécologues qui sont à proximité des populations. C'est une, une, appréciation personnelle que je fais. J'ai vu des régions où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Les gynécologues sont là on peut faire échographie alors qu'avant on ne pouvait même pas faire. Il faut envoyer ou à Zender ou Maradi ou à Niamey. Aujourd'hui, les populations ont accès à certains soins de qualité. Donc, n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes euh, formées, mais les agents ne veulent pas être en brousse. Les agents ne veulent pas être en brousse pour certains parce que la télé n'est pas là. Parfois, il n'y a pas de téléphone. Je m'excuse de le dire. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'avec la batterie, avec leur euh, petit panneau solaire, ça règle beaucoup de choses parce que comparé à la vie en brousse, ils gagnent beaucoup du fait que d'abord il y a l'atmosphère qui est bien, ils sont en paix. moins de dépenses. Oui, mais il y a un autre aspect, c'est que ils n'ont pas de temps libre les agents de santé travaillent H24. Et là, c'est de leur faute. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire, toutes les supervisions que je fais, suite à leur accompagnée des femmes guéries de la fistule, je leur dis, c'est vous qui devrez sensibiliser votre population. Un malade ne doit pas venir la nuit expliquer, lui, en venant la nuit, vous ne pouvez pas faire tout l'interrogatoire, tout l'accueil, tout le processus que vous devrez faire en vous réveillant alors que vous avez toute la journée vous pouvez venir. Et il faut réguler la population aussi. Expliquez-leur les avantages de venir à des heures de service. Et là, la nuit, vous allez vous reposer. Deuxième aspect, un agent de santé n'est pas là pour guérir. Il est là pour prévenir. C'est ça l'agent de santé. Ils doivent avoir des visites dans le quartier, voir les flaques d'eau, voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que l'hygiène du village c'est bon, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les gens viennent en affluence chez lui à tel moment ou tel moment. Et à travers ces visites, les conseils qu'il donne, ça peut résoudre certains problèmes tels que le paludisme, vous l'avez cité avant, les problèmes de diarrhée, les problèmes des maux des yeux des enfants, les problèmes de dermatose. En tout cas, rien qu'avec les visites sur le terrain, ça peut régler beaucoup de consultations inutiles. Mahamadou Abou, en janvier dernier, il y a eu la signature d'un protocole d'accord entre le SUSAS et le gouvernement. Quels sont les principaux points contenus dans ce protocole d'accord Effectivement, c'était la plateforme revendicative du SUSAS issue du, du 29e congrès statutaire qui s'est tenu à Zander en décembre passé. Donc c'était la plateforme revendicative qui a été déposée auprès du ministère des tutelles. Et cette plateforme revendicative issue du congrès, et je rappelle qu'à l'issue du congrès de Zander, un nouveau bureau a été mis en place qui est en tout cas de traduire en actions concrètes les préoccupations des agents de santé euh, sur le terrain et au niveau des autorités compétentes. La teneur de cette plateforme revendicative se résume au recrutement du personnel euh, de la santé en quantité et en qualité, le paiement des bourses et appuis pour nos étudiants professionnels qui sont en formation tant au Niger qu'à l'extérieur et la révision du statut du cadre de la santé et de l'action sociale. Il y a aussi d'autres points, c'est la création des écoles de santé dans toutes les huit régions du pays pour faciliter en tout cas à nos frères et sœurs d'accéder à des écoles de santé. C'est le paiement de tous les arriérés de pécules de contracteurs de la santé qui fait aujourd'hui la une de, l'actualité. Donc, et c'est les logements sociaux au profit de l'agent de santé. Donc voilà en substance ce que contient cette plateforme revendicative que nous avions déposée auprès du ministère du tutelle et que le Bureau national est à pied d'œuvre pour que ces points de revendication puissent être satisfaits. D'ores et déjà, des actions ont commencé puisque la euh, dernière fois, si vous avez vous souvenant sur les presses locales, vous avez vu la déclaration conjointe Suzanne saint que, et, en tout cas, le Bureau national a eu affaire et pour interpeller le ministre de la Santé quant au respect de ses engagements. Donc ça veut dire que ces, engagements n'ont pas été jusque-là respectés Oui, jusque-là n'ont pas été respectés en partie euh, puisque le processus de négociation est en cours et le processus est en cours avec le Bureau exécutif national en collaboration avec euh, l'alliance que nous avons créée avec le saint Donc euh, on espère en tout cas qu'on ne soit pas arrivé à des tiraillements entre nous et notre ministère de tutelle. On espère de tout cœur que ce point de revendication puisse trouver une issue heureuse pour le bonheur de tous, de toutes les parties. Mohamedou Abou, aujourd'hui, dans quelles conditions travaillez-vous dans les différentes formations sanitaires J'allais dire les militants du SUSAS. Oui, les militants du SUSAS, euh, d'une manière générale, que ce soit ici à Niamey, qui est la capitale, ou à l'intérieur du pays, tous traversent des conditions de travail extrêmement pénibles. Extrêmement pénibles, c'est quand du niveau central jusqu'au niveau décentralisés qui sont au niveau des CSI, le problème crucial qui se pose, c'est le matériel de travail. Aujourd'hui, faites un tour de l'information sanitaire. Vous allez trouver des informations, des formations sanitaires ici même au niveau de la capitale qui ne disposent pas du minimum pour assurer leur mission. Vous allez aller dans des centres, 10 centres de référence. Je ne parle pas de l'hôpital de référence qui vient de voir le jour, qui est au top de la technologie. Les autres centres, allez-y, faites un tour au niveau des services des urgences de l'hôpital national de Niamey. Vous allez vous rendre de vous-même les conditions extrêmement pénibles qui vivent le personnel et les patients. Allez-y faire un tour au niveau de la salle d'accueil de la maternité Sagazobi où vous allez trouver les femmes à même le sol, où vous allez trouver un personnel déboussolé puisque désarmé devant la souffrance de ces femmes puisque n'a n'ayant pas à, la portée des mains le matériel nécessaire et les médicaments d'urgence pour faire face à certaines situations. Tout à l'heure, j'ai causé avec Mme Traoré quant à une expérience qu'elle avait partagée à leur temps. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'affluence. Maintenant, la taille de la population a augmenté, l'affluence a augmenté et les demandes euh, euh, de soins augmentent et l'État n'arrive pas à faire face. Il y a eu des efforts qui ont été faits, je l'ai dit tout à l'heure, le développement des infrastructures. Mais l'autre aspect n'a pas suivi le matériel adéquat pour travailler et le consommable qu'il faut. Je vous assure, quand vous allez partir dans certains services, vous allez trouver, il n'y a même pas de gants pour examiner un patient. Vous allez venir avec votre enfant qui a la fièvre, il n'y a même pas un produit pour lui calmer sa fièvre. Vous êtes on obligé de vous donner l'ordonnance pour courir dans des pharmacies à gauche, à droite, chercher euh, des produits avec tout ce que ça comporte comme risque d'insécurité. Il faut aller aussi dans les centres de santé intégrés. Vous allez trouver que souvent, même cette gratuité dont on parle, n'existe que de nom les ordonnances sont livrées aux patients, il n'y a pas les médicaments disponibles. Et souvent aussi, l'autre difficulté liée à cette gratuité, c'est le non-remboursement. Ça fait des années que l'État ne rembourse pas les arrêts liés à la gratuité et les arrêts sont accumulés. Les fournisseurs de ces services-là, qui doivent fournir les médicaments, ont cessé de fournir puisqu'ils n'ont pas été payés. Je parle très bien de la maternité Sagazobi que je connais très bien. Il y a beaucoup d'arriérés liés à la gratuité. Et je vous assure, il fut un moment où je prenais le contre-pied quand je voyais des déclarations sur les réseaux sociaux, soit disant que la gratuité n'est pas effective à l'époque où il n'y avait pas de difficulté. Mais maintenant, ça me gêne, puisque je suis conscient que cette gratuité n'existe que du nom risque de non. Allez-y voir aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, on donne des ordonnances aux femmes pour acheter les médicaments. Or, l'État a garanti la gratuité pour ces femmes-là. Il y a aussi le découragement, surtout quand on sait dans certaines zones du Niger, 80% de l'effectif est constitué de, contractuels et de bénévoles. Madame Traoré a, évoqué L'ensemble de l'effectif des agents de santé sont cumulés dans les grandes villes. Niamey, les, huit régions, les grandes villes de huit régions. Dans la brousse, vous ne trouverez pas des, agents de santé titulaires, vous allez trouver ces des bénévoles et c'est des contractuels aujourd'hui qui font la fierté parce que sans ces contractuels là le système de santé pourrait être agenouillé puisqu'ils font de leurs efforts malgré en tout cas les difficultés qu'ils traversent quant, quant au paiement de leurs véhicules donc il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés et je pense que le temps ne nous permet pas de relater tout mais sachez que et c'est pas du tout reluisant. Adja Ramoutou Mahamadou, aujourd'hui, avec quels moyens vous apportez euh, des soins aux patients dans les CSI Bon, même au CSI, vraiment, vraiment, il faut que l'État vienne en aide parce que vraiment, avec les truc qui viennent de commencer, vraiment, il faut qu'on nous amène des produits côté agent, vraiment, on est insuffisant. Parce que l'infirmier, c'est toi qui es le manœuvre de ton CSI. Parce que chaque jour, avant de commencer de travailler, il faut qu'on balaye nos CSI. Il faut qu'on on fait des... C'est nous les manœuvres, quoi. On n'a même pas un manœuvre ici. C'est nous qui fait tout pour euh, côté manœuvre. Ce que Mme Traoré a dit, vraiment ici, les infirmiers étaient des pauvres infirmiers. Mais quand elle a parlé de ce qu'on gagne, oui, elle a bien parlé, mais je pense que c'est de leur côté, maternité, même si on gagne. Vraiment ici, on était des pauvres infirmiers. Il n'y a pas un moyen où on gagne avec au moins les villageois, où ils nous amènent leur soutien nous amènent leur soutien parce que vraiment, si tu es gentil avec les villageois, là, vraiment, il y a des villageois. Moi, présentement, vraiment, il y a des villageois qui m'amènent leur contribution parce qu'ils disaient que ça fait des mois qu'on n'a pas de tequila parce qu'il y a des instruments même qui ont quitté leur, leur poste à de la nourriture. Ils ne peuvent pas se prendre en charge. Bon, vraiment, les villageois, c'est de leur Parce que vraiment, moi, présentement, là où je suis, j'ai reçu vraiment pas mal de mille dans les villageois m'a amené en contribution. Vraiment, et je les remercie, parce que ici au village, vraiment, on est insuffisant. Parce que toi, imprimé, ne peux pas tenir une grande fête avec six cases de santé. Vraiment, c'est pas facile pour nous. On veut à que l'État fait un recrutement des infirmiers et des sages-femmes. Vraiment, on a besoin de ça. Vraiment, on travaille jour et nuit. Samedi et dimanche, on n'a pas de week-end. Pour te déplacer, il faut que tu t'arranges avec tes collègues. C'est ça qu'on Pour te déplacer, pour te rendre dans ta famille, il faut que tu t'arranges avec euh, tes collègues. Un part ce week-end, deux restent pour servir, et le week-end prochain, c'est l'autre qui quitte. Vraiment, c'est pas facile. Et pour côté petit, là, tu es infirmier qualifié, diplômé d'État et on te paye eh, à 55 000 francs. 55 000 francs, vraiment, c'est insuffisant pour nous. Seulement, on est là pour servir nos parents, nos soeurs et on est satisfait de ça. Vraiment. Mais on veut ce que l'État revoie les choses. On n'a aucun risque d'indignité. Si tu te fais piquer, ça, tu te prends en charge. Si tu tombes malade, tu te prends en charge toi et tes parents. Vraiment, il faut l'État revoir notre situation. En tant qu'infirmiers diplômé d'État, on veut à ce que l'État nous revoie. De la façon dont on est venu en brousse, on est en train de servir et il y a des agents qui sont dans la ville qui ne veulent pas venir en brousse. Nous, on s'est sacrifié pour venir servir nos parents. Vraiment, on est satisfait de ça. Mais il faut que l'État aussi revoie les choses pour qu'elle nous prenne en charge. Vraiment, on souhaite à ce que le soit régulier comme avant. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avions eu comme invité Mohamedou Abou, licencié des sciences de la santé, et membre du syndicat unique de santé et de l'action sociale. Madame Traoré Salamatou, infirmière sage-femme, membre de l'association des sages-femmes du Niger et présidente de l'ONG Dimol. Et en ligne depuis Baudeta, le département de Tassawa, Hajia Aramatou Mohamedou, agent de santé communautaire Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.